de la plus grande escroquerie judiciaire de tous les temps. Orchestrée, savamment orchestrée, orientée par des ONG corrompus, tels que Human Rights Watch de Ruth Bruni, la radio de Aluntine, l'ONDH, Amnesty International Sénégal et autres activistes, entre guillemets, droits de l'homiste, qui n'ont jamais élevé la voix contre les nombreuses violations des droits de M. Isenabé pour ces chasseurs de primes. Abré n'est pas un être humain. Il n'a pas de droit. Il n'a même pas droit à la présomption d'innocence. Parce qu'il n'est pas un être humain. On bloque ses comptes alors qu'il n'est pas poursuivi pour des crimes économiques. On le condamne déjà pour réparer un le préjudice. On lui construit une prison pour qu'il puisse y séjourner jusqu'à sa mort. Personne n'élève la moindre protestation contre cette condamnation qui ne dit pas son nom. Trop c'est trop, mais devant la lâcheté des hommes, devant l'ignominie, devant la cupidité, notre pays, le Sénégal, n'a pas réagi et accepte d'être humilié à la face du monde. Trop, c'est trop. Quand Déby lui-même dit qu'il ne va pas permettre aux chambres africaines extraordinaires d'auditionner les dignitaires de son régime, qui étaient tous là avec lui, du temps d'après, c'est que Déby n'a aucun respect pour le Sénégal, aucun respect pour les chambres africaines qu'il finance et qu'il finance qui paye commande, qu'on nous ne pas ici. Nous savons ce que nous disons. Et on va être juge et parti à la fois. Juger quelqu'un dont on, demande la tête, dont on réclame la tête. Après l'avoir condamné à mort au Tchad. Vous condamnez quelqu'un à mort chez vous. Vous avez le patron, vous avez les milliards, vous envoyez de l'argent au Sénégal pour qu'on le condamne encore, qu'on l'arrête même. Et on lui construit une prison pour y séjourner jusqu'à la fin de ses jours. Maintenant, pour retracer le film des événements, nous allons tour à tour, en tant qu'avocat constitué par M. Abré lui-même, nous allons vous parler, vous entretenir des exactions, des violations des droits d'abri C'est un procès surréaliste. Ils sont devenus fous. Des avocats sont là. Parce que le client refuse de parler, on les remplace. Mais dans quel pays sommes-nous Dans quel justice sommes-nous Devant quelle juridiction sommes-nous Un client qui ne parle pas, on va remplacer ses avocats. Marcel ça c'est la phrase de trop. Mais c'est un... Attendez. C'est dans leur tête, donc. Il s'est trahi. Donc, ils ont mûri cette idée. Quem trabalha, é, eles vão ganhar dinheiro.